exportation yi euh, depuis euh, l'avènement du président Macky Sall euh, ñu en 2012 biñu mettre en place une stratégie économique bo xamné basée sur les investissements et les exportations la exportation commencé à amul plus de 7 moyenne bi c'est plus de 10 et moyenne le plan Sénégal émergent fixé woon euh, ma joxee exemple dao daaw jéeg ak daawaati jéeg ñu ngi def 10 12,5%, et DAO, nous ngi def 18,9%. virgule fait 1670 milliards et si 1985 milliards exportation donc chaque année 10 milliards ak lu nous avons fait doon ci mbirum exportation mooy li ñuy jaay devises yi 19,5%, 18,9% di cette année objectif bi de dépasser les 20 mm-hmm. et bi on a dépassé les 20 pour le premier mois mois de février. Mm-hmm. mais tout de suite euh, après bi bi euh, bi crise bi commencé. Mm-hmm. foire salon exposition à Mm donc fi y a eu yi daan d'exposition à dàkk ni avons nak ay contrat yu signé avant tey jii exporté au niveau de l'agence on les accompagne ñu defal un certificat d'origine etc. Mm. et sur les chiffres Nous, le chiffre était croissant mais euh, aujourd'hui euh, sur les sur les derniers chiffres on est à plus 16 euh, plus 16 mm. on est à plus 16 alors que dépassé on nañ 20 le cumul le cumul est plus 16,7 mm. plus 16,7 du cumul alors que dépasser on a 20 ça veut dire que euh, déjà sur le mois donc on a on a fait moins on a fait beaucoup moins que le mois précédent. Euh, et ça va pas s'améliorer c'est clair maintenant une des une solutions au, niveau africain parce que heureusement. Euh, exportation en soi les marchandises ba léegi mm-hmm. mais le problème, moi, les échanges, euh, les échanges au niveau des, des, sites comme des salons, sites de rencontres comme les salons, mhm. les foires, les expositions, l'eau mhm. Expo de Dubaï, reporte, d'un reporté, etc. Donc, c'est des choses, ça va toucher le monde entier, le commerce international. Mhm. Euh, Sénégal, bien entendu, d'une partir, là, c'est sûr, il faut, que, il faut qu'on le sache. D'accord. Maintenant, comment gérer, on va dire, l'après-crise alors, sur l'après-crise, moi, je pense que déjà, euh, le président de la République, euh, nous, le, remercions, surtout mhm. de, l'accompagnement des PME et des grandes entreprises. Mhm. Euh, surtout les éléments fiscaux, mhm. parce que nous, entreprises, nous noir mais qu'est-ce qu'on va devenir sur le plan fiscal, notre personnel, etc. Les -hmm. euh, les vraiment, les incitations, les mesures d'accompagnement yi ñi ngi fi. Mhm. Euh, du doy nag. Mhm. mesure du doy mais mhm. mesure d'accompagnement yi ñi ngi fi euh, ñun objectif bi fi mu moy suñu suñu suñu euh, entreprise yi résister. ba crise bi passé. suñu résister ba crise bi passé rek bon nous pensons qu'il y aura après un boom dans le cadre des exportations mais période bi nak dina métti. ñu fexe ba période bi gàtt. mais période bi dina bon vraiment mais état mi ngi accompagner bu euh, c'est des mesures salutaires et on espère que dina permette permettre nous permettre suñu entreprise au moins nous nous résister